le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est l'organisation des premières élections professionnelles au Niger. En seconde position, la suspension provisoire de l'édition du nouveau permis de conduire biométrique au Niger, deux semaines seulement après le démarrage. L'actualité, c'est aussi la commémoration cette semaine du 28e anniversaire de la conférence nationale souveraine, mais aussi du 59e anniversaire de l'accession du Niger à l'indépendance. Pour euh, analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Al Hajj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Al Hajj, Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Roufaï Dandoua, journaliste sportif. Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans, le forum, dans ce forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par l'organisation des premières élections professionnelles au Niger. Ils sont au total 185 542 électeurs répartis dans 653 bureaux de vote sur l'ensemble du Niger qui étaient aux urnes mercredi pour départager 12 centrales syndicales candidates aux élections professionnelles. El Mohamed Suleiman, après moult reports, les élections professionnelles ont finalement eu lieu dans quelles conditions ben, Je pense que c'est un processus démocratique qui a été engagé à un certain moment, comme c'est euh, la première fois en tout cas que les centrales syndicales vont essayer de se faire juger, en tout cas de euh, vérifier leur... Euh, euh, je veux dire, euh, adhésion, de, en tout cas leur, leur grandeur, j'allais dire. Euh, donc, c'était pas facile, justement. Et aussi, je crois, à quelques méfiances à ce moment. Il fallait donc s'assurer que créer les conditions de confiance pour tout le monde. Et je pense que finalement, ça a eu lieu. Et le résultat, il est là. Donc aujourd'hui, on a au moins une idée de qui a vraiment de l'impact, qui est en tout cas pèse quoi Selon les résultats provisoires. Absolument, selon les résultats provisoires. Mais vous savez, même au niveau des élections euh, générales, je veux dire politiques, euh, le plus souvent, c'est que la CENI donne. Euh, la Cour ne peut que le confirmer. Donc, je pense que véritablement, c'est une très bonne chose. souvent, on dit que c'est des tournevis qui font du bruit. Donc, je pense que désormais, l'autorité publique, c'est en tout cas qui pèse quoi qui, en tout cas, parce que véritablement, euh, c'est vrai, la démocratie l'a imposé, le multipartisme, en tout cas, même au niveau des syndicats, c'est, en tout cas, euh, on dit tout le monde est libre, en tout cas, de créer son association, en tout cas, sa centrale. Bon, aussi, euh, mais finalement, je pense que désormais, au niveau, je pense que la première conséquence, au niveau de l'autorité publique, ils doivent en tout cas savoir qui écouter. Et lorsqu'effectivement, il y a des revendications, euh, donc, de mon point de vue, c'est franchement une, euh, une, très bonne chose euh, qu'on arrive véritablement. Dans, quelles conditions ces élections ont été déroulées, pour le, moment, il n'y a aucune contestation. En tout cas, je n'ai pas entendu de contestation. Je pense que c'est une des conditions acceptables. J'ai pas vu, en tout cas, que ce soit à travers les réseaux ou bien à travers les médias. Je ne sais pas, en tout cas. Moi, j'ai pas entendu personnellement des gens qui condamnent que ça n'a pas été honnête et sincère. Euh, donc, pour le moment, en tout cas, de mon point de vue, c'est démocratique. Donc, euh, c'est en passe d'être accepté par tous. Rufai Dandoua, euh, que peuvent apporter ces élections dans le monde du travail au Niger Justement, moi, je... <clears throat> peut-être que ça va apporter aux autorités politiques, mais personnellement, je me dis, d'ailleurs, je me demande ce que font les centrales syndicales pour, euh, pour les travailleurs. Je, ne sais pas, hein, peut-être qu'il y, a ceux qui en bénéficient, mais de là à dépenser plus d'un milliard 500 millions pour organiser des élections professionnelles auxquelles même 30% de, de, travailleurs ne participeront pas, je me demande que, euh, que c'est-à-dire-là, on aurait dû profiter de ça pour faire autre chose. Je pense qu'il y a, il a, y a d'autres priorités et que les élections professionnelles au Niger. Mais bon, c'est toujours aussi politique. Il faut, il faut marquer le coup. Il faut qu'on dise que c'est à tel ou tel moment que, que, ça, que, ça, ça a été fait. Mais dans tous les cas, je pense que même, et même sans faire les élections, il le fallait peut-être pour, pour, les autorités, mais même sans faire les élections, on savait qui pesait quoi et qui faisait beaucoup de bruit, comme l'a dit Raï eh, Suleiman. Et eh, on savait pratiquement que la CDTN et la CNT peut-être étaient les plus grandes centrales syndicales, au vu du nombre de, euh, syndicats affiliés, au, vu aussi du, nombre de militants adhérents dans les syndicats qui, qui sont affiliés à ces centrales. Puisque quand vous prenez par exemple la CDTN, c'est la CDTN qui a le SINEN, même si aujourd'hui le SINEN, c'est une coquille vide, ce n'est pas comme le SINEN d'avant. Quand vous prenez par exemple la CNT, oh, c'est eux qui ont euh, le SINACEP, c'est ça, non, le syndicat des agents contractuels. agents contractuels contractuels fonctionnaires. Mhm. donc, quand vous regardez déjà à première vue, on se rend compte qu'il y a telle ou telle et eh, centrale syndicale qui peuvent représenter plus que eh, d'autres. Et bien vrai que eh, la, la, la, la, démocratie a permis le multipartisme pour les partis politiques et aussi la multitude de syndicats. Mais moi, même pour les, les parti politique, je suis contre la, le multipartisme et, comment, intégral où tout lui qui se lève un beau matin. Récemment, on a vu des, des, des, plusieurs partis politiques qui se sont créés. Ils font le buzz pour un jour, deux jours, une semaine, un mois et après, oh, c'est fini. Et c'est quand les élections vont arriver que vous allez voir ces partis politiques qui ont leur. Euh, bureaux dans, dans, dans, dans, sac, qui vont aller et eh, comme le dit Gou, pour avoir de, de l'argent, 5 millions, 10 millions, prétextant à aller faire campagne. Moi, je pense qu'il faut qu'il faut qu'on qu'on Qu'on Voilà, qu'on tout et qu'on se dise, écoutez, et eh, c'est vrai qu'on a accepté le, le, le, multipartisme intégral, c'est vrai qu'on a accepté que eh, chaque syndicat où, chaque groupe de syndicats peuvent créer leur centrale, mais il faut qu'on se respecte à un certain moment. Il faut qu'on se dise les vérités. On ne peut créer un parti politique. on peut, on, peut, on peut s'entendre entre Nigériens pour se dire, bon, c'est vrai, on est en démocratie et en multipartisme mais on peut créer un parti politique qui est celui qui a ci, qui a ça, qui a ça. Et là, on va, on assainir les Aujourd'hui, on est à, par exemple, 137 partis politiques. Donc, revenons par rapport aux élections prochaines. Au, central, on est à 12 ou 13, je mmh. crois. Mmh. Quand même il y a combien de, de, travailleurs oh, euh, J'ai vu un qui a partout 0, 0, 0. Ça, veut dire quoi pour, 185 542 électeurs. Voilà, j'ai vu un, quand j'ai vu sur, un site là, une centrale qui a partout 0, 0, ça veut dire que c'est parti, ce, syndicat, cette centrale n'existe pas. Donc je pense que les, gens doivent se dire, euh, il faut, après ces élections, euh, professionnel, il faut constater pour se les centrales qui ne pèsent rien, puisque heureusement que celles qui ne pèsent pas 5%, c'est ça, non mhm. doivent, Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je pense que c'est important. Euh, euh, à votre avis, quel changement qualitatif à attendre euh, de ces élections professionnelles pour l'administration ou les travailleurs Merci. Moi, je pense qu'il faut d'abord saluer l'aboutissement de ce processus qui a tant duré et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans ce pays. Moi, je suis parfaitement d'accord qu'il faut vraiment que l'État puisse assainir le domaine et voir euh, ensemble avec les, les, représentants des travailleurs comment négocier. On ne peut pas comprendre dans un pays où il y a une multitude. Les élections professionnelles arrivent vraiment à d'identifier euh, les, centrales représentatives. Donc au Niger, on a révolu, on a dit il n'y a pas de vainqueur, l'unique vainqueur. Ils ont négocié entre eux, ils ont dit bon, tout celui qui a 5%, euh, des de l'ensemble des suffrages exprimés et représentatifs. Donc l'État sait aujourd'hui à qui il va parler au nom des travailleurs. Mais cela ne veut pas dire que les autres travailleurs sont, euh, centrales sont appelés à disparaître. Non, mais est-ce que les autres centrales n'ayant pas requis euh, les 5% peuvent faire un bloc une coalition. Quelle coalition Ils doivent passer. Tout ce qu'il y a comme revendication, il passe nécessairement par les cinq qui sont représentés aujourd'hui. C'est parce que c'est eux seuls qui doivent porter le dialogue avec le gouvernement. Donc, si vous avez une revendication, vous passez automatiquement par ça. C'est un challenge qui leur. Si vous ne parvenez pas à avoir les cinq, c'est un challenge maintenant. C'est un défi que vous avez imposé. Parce qu'on a vu au Bénin, la première fois quand ils ont fait leur élection professionnelle, la centrale qui était euh, en dernière position, quand à la fin du mandat, on a refait les élections, c'est cette même centrale qui est venue à la première place. Parce qu'ils ont passé leur temps à travailler et que les autres centrales qui étaient réélues n'ont pas fait le travail, n'ont pas du tout répondu aux aspirations des travailleurs. Ce qui veut dire que ici, la CNT, parce que les résultats provisoires qui circulent, on dit la CDTN, la CNT, la CGCL Niger, l'USTN, l'USPT, ce sont les centrales qui ont recueilli plus de 5%. Donc, ils sont appelés aujourd'hui à, travailler, à véritablement défendre euh, les travailleurs. Parce que si les travailleurs, c'est comme les élections ordinaires, Alain l'a dit, euh, c'est comme les élections ordinaires, si vous ne faites pas le travail pour lequel on vous a élu, mais on va vous sanctionner prochainement. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour l'État de pouvoir vraiment assainir le domaine parce que on n'a pas dit vous avez, on a quatre centrales. Les deux centrales ne peuvent pas euh, participer parce que c'est l'économie informelle. Donc, et l'autre, l'UTAN qui a été récemment euh, créé avec euh, le secteur des transports et assimilés n'était pas dans le processus au départ. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur les 12 qui ont compétit, on connaît déjà, il y a 6 qui passent. Les autres doivent maintenant travailler leur base pour pouvoir se préparer pendant ces 4 ans-là. Mais c'est bien quand même parce qu'on n'aura plus de l'argent public à jeter dans l'air à l'occasion de la fête du travail. Parce qu'il y a cette subvention de l'État que seulement les patrons des centrales captent et que les travailleurs même sont obligés de payer les t-shirts et les pagnes. Donc il n'y a pas ce caractère de vraiment fête du travail où on doit s'asseoir. Euh, manger, boire. Non, quel manger, boire. Non, un travailleur, on doit, cette fête-là, c'est d'asseoir et de parler vos problèmes. Qu'est-ce qui va vous permettre de jouer pleinement votre mission d'employés Qu'est-ce qui est entrave l'atteinte de vos objectifs qui visaient à signer dans le cadre de votre mission Voilà des questions qu'il faut. Mais ce n'est pas le défilé folklore où les gens vont aller prendre la subvention de l'État et aller se payer un véhicule, aller construire une maison. Je crois bien qu'aujourd'hui, on aura vraiment un assainissement total dans le dialogue et aussi les fonds qui seront alloués à ces centrales. Rapidement, Roufaï Dendoua. J'aime bien l'optimisme, l'optimisme de, quand il dit les gens vont travailler leur base. Moi, j'aimerais bien, savoir, est-ce que les gens ont, voté parce qu'ils ont des convictions pour, pour les centrales syndicales Je pense que non. C'est comme les partis politiques quand on parle aux élections. On ne vote pas selon les programmes, on ne vote pas selon les convictions. Les gens votent parce qu'on est de, de, de, tel bord, de tel bord. Il faut, il faut, il faut qu'on fasse bloc pour, autour de, de, telles choses pour, pour, que, pour qu'on n'ait pas la honte. Moi, je pense que c'est ça. Et qu'il y ait des élections ou pas, et ce qui est important, moi, je pense, c'est quelque part de savoir le poids de chaque centrale et l'État c'est avec qui il va. Il n'y aura plus de chantage parce qu'avant, l'UTAN peut-être peut faire un chantage au, gouvernement. Aujourd'hui, on sait ce qu'il vaut, ne vaut pas eh, grand-chose. Par exemple, on sait que la CDTN est plus représentée, tout comme la CNT. Là, on, peut discuter avec eux. Mais dans tous les cas, on, revient comme en politique où les négociations vont encore toujours prévaloir. Le plus petit, la plus petite centrale va aller maintenant négocier encore avec la CNT ou la CDTN pour que eh, quand ils auront besoin de, faire des revendications, qu'ils ajoutent leur voix. L'édition du permis de conduire biométrique est décalée à une date ultérieure. Euh, c'est ce que dit l'affiche collée mardi sur le portail à Niamey de l'entreprise qui édite depuis le 23 juillet ce nouveau document qui coûte 19 200 francs CFA dans la réalité, même si le communiqué officiel parle de 12 000 francs CFA. Issa avez-vous des éléments d'information sur les raisons de cet arrêt brusque de je crois bien que c'était prévisible. Il y a une semaine de cela, on discutait de cela ici sur euh, les contours, comment, qu'est-ce qui est à la base euh, de ce processus, comment l'entreprise a été choisie. On a vu le samedi une conférence de presse organisée par euh, des cadres du ministère qui a couché, vraiment c'est la montagne a couché d'une souris. Parce qu'il n'y a, rien de pertinent dans ce qu'ils ont dit. Et moi, je pense que le fait que les autorités puissent vraiment euh, arrêter le processus, euh, c'est une fois écouter le cri de cœur des peuples, euh, des populations nigériennes. Il y a un autre communiqué qui est sorti pour dire du que les gens se rassurent, leurs données sont mm. protégées et conservées au ministère. Voilà toute la problématique de l'établissement de ce code. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas les 19 500 d'abord avant d'aller mais le fait que nos informations, là, que nos données personnelles soient, soient dans la main d'un inconnu où on n'a aucune assurance s'il a les capacités de les protéger. Voilà le problème. Une entreprise privée. Une entreprise privée dont jusque-là les contours de sa création restent vraiment très flous et on dirait que le Niger n'est pas un pays de droit les conditions dans lesquelles non attendez Mokhtar il faut que euh, au Niger on essaye euh, donc ce n'est même pas le prix euh, il faut que, les gens on est dans un état l'attribution des marchés est bien encadrée dans ce pays faut pas c'est pas no man's land tout marché qui dépasse aujourd'hui au-delà des 500 millions doit, doit faire l'objet d'une communication au conseil, des, ministres. ministres et ça doit être publié au journal officiel est-ce qu'il a été question de ça est-ce qu'on peut venir si, c'est pour cela, moi, dès le départ, ma question c'était est-ce que ce n'est pas une décision unilatérale les, agents sont sortis du personnel administratif pour vraiment monter au chrono pour déposer un préavis de grève. Cela démontre les agents du ministère, du ministère cela démontre qu'il y a vraiment quelque chose de très grave qui se passe dans ce ministère. Comment des agents de l'État puissent être dépouillés de toutes leurs prérogatives Transport, Souma aérien, il y a Souma qui gère. La carte grise, il y a Sony Loga qui gère. La visite technique, il y a le CNCA qui gère. Finalement, pourquoi l'État va les payer C'est ça, eux-mêmes, ça leur fait mal de venir rester dans des bureaux et ne pas travailler. Ça fait mal. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme dans l'activité, des prérogatives régaliennes du ministère ont été données, à, confiées à d'autres structures. Et finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire Même les agents qu'on on envoie en personnel d'appui dans ces sociétés ne sont pas considérés par le patron de ces sociétés. Parce que le personnel, eux, qu'ils ont recruté, prime d'abord. Et pourtant, ils ont promis des restons, des, des, traitements de faveur pour ces employés qui sont affectés dans leur service. Mais le cas de Sonny Loga est là, très palpable. Voyez-vous un peu, c'est la situation, elle est très confuse. C'est pour ça qu'on a compris que c'est des gens qui se sont retrouvés dans un bureau, qui ont pensé qu'ils ont plus de matière grise que les autres Nigériens ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont trouvé un moyen d'escroquer les Nigériens, pensant que quand on dit... Euh, escroquer, est-ce qu'il ne faut pas aussi moderniser le permis Non, mais il, faut, y a la nécessité de moderniser. Mais quand même, ils ont les 19 000. Quand ils ont fait leur point de presse, on a dit les 5 000 là, ce n'est plus d'actualité. C'est de 19 000, c'est revenus à 14 000. Où est le sérieux ce qui veut dire que ce n'est pas le gouvernement. C'était ne faut pas le gouvernement. Moi, je pense, à mon humble avis, il ne faut pas accuser le gouvernement dans l'intégralité pour dire que le gouvernement est coupable. C'est des cadres du ministère. Pourquoi ils ont réduit les 5 000 Ce qui veut dire que les 5 000 sur lesquels les gens ne sont pas sûrs d'avoir vraiment un reçu fiable, où va ces 5 000 là C'est-à-dire que c'est de l'arnaque. De 19 000, ils ont enlevé les 5 000. C'est devenu à 14 000. Mais où est le sérieux Où est le sérieux dans tout ça Pour finir, Mokhtar, moi je pense que la décision, c'est au-delà de l'arrêt, c'est qu'on devrait même investiguer, la Halcia devrait investiguer, la Cour des comptes devrait investiguer pour voir la conformité de cette action de dépense. quest ce que se -ce conforme au règlement de, notre pays Voilà, la, question est là. Rufai Dandoua, cette affaire continue de soulever les tollés, surtout à Niamey, où certains observateurs parlent d'actes illégaux. Euh, ce nouveau format est pourtant moderne. Euh, quelle est votre lecture moi, je suis, entièrement d'accord qu'il faille moderniser tout ce qu'il y a à moderniser parce qu'on ne peut pas vivre en vase clos. On, est pas, on est au 21e siècle, il faut qu'on se dise euh, des fois les vérités. Hum, mais moi, ce, que, euh, ce qui m'intrigue, c'est qu'à chaque fois, c'est quand ça, quand ça coince, quand ça bloque, euh, qu'on recule. <coughs> Qu'est-ce que je veux dire par là Et aujourd'hui, au ministère des Transports, c'est quand ils se sont rendus compte que même pour faire les papiers, le, permis, on cherche une autre euh, société, privée. C'est là où ça, ça commence à leur faire mal. Vous voyez, non alors que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils devraient tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils devaient aller en grève sur le, le, fallait. Ils ne l'ont pas fait. Peut-être c'est parce que quelque part, eux, ils ne sont pas dedans, ils ne, euh, euh, ils, ne bouffent rien, ils ne sont pas dans le circuit. C'est peut-être Je, je dis non, ils ont fait, ils ont fait plusieurs. ça, vous aurez la parole là après. Laissez-le parler. Oui, le Sympa, tu as eu à faire plusieurs sorties médiatiques par rapport à toutes ces réformes. Vous, voyez, non moi, je suis d'accord euh, qu'on refasse les permis de Mais pourquoi ne pas donner ça à la police nationale Les matériels qu'on peut acheter, l'État peut se l'acheter pour donner à la police et l'argent qui va. Et même envoyer des policiers à la formation pour les former Justement, Et maintenant à la police, avec l'argent là, ou même s'il y a des bénéfices, l'argent là, la police peut faire quelque chose. Pourquoi il faut toujours qu'on trouve des gens qui viennent de l'extérieur C'est parce que quelque part ça arrange quelqu'un. Et quand Issa, par exemple, dit que. Et, eh, il ne faut pas toujours condamner le gouvernement. Non, il faut condamner le gouvernement. Un ministre, il travaille dans un gouvernement. Quand il doit faire quelque chose, il a ses supérieurs hiérarchiques, il faut que ces derniers soient au courant. Les chefs du gouvernement. Tu ne peux pas te lever unilatéralement pour imposer quelque chose. Pour, C'est quand tu le commences déjà aussi que tu l'insères dans le, dans le journal Le Sahel pour eh, informer tous les Nigériens que voilà désormais ce qui va se passer. N'eût été la réaction eh, vraiment solidaire du peuple nigérien, ça allait euh, se passer comme lettre à la poste, comme on a l'habitude de le faire. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que le gouvernement est comptable de ça. Et c'est peut-être très bien aujourd'hui qu'ils entendent, les, du peuple nigérien que le gouvernement. Parce que moi, je ne dis pas que c'est le premier c'est parce que j'ai vu quelque part, on dit Ah, c'est le premier c'est la sagesse du premier Non, il, était là, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Où était la sagesse là Moi, je pense qu'aujourd'hui que le gouvernement l'a fait, c'est tout le gouvernement, avec euh, au-delà de ce gouvernement, le président de la République. S'ils ont compris qu'à travers ça, il y a une arnaque qui a été eh, organisée et que maintenant, on, la stoppe, c'est déjà bien. Il faut encore regarder quelque part. Il y a d'autres choses qui se font aussi de, euh, de manière euh, euh, très, très illégale ou, ou, ou pas du tout catholique, comme c'est le cas par exemple avec cette histoire de, de, Quand vous partez à, à le gars, on dit il faut seulement aller à Sony le gars pour avoir des papiers. Ça ne se fait pas. Dans, dans quel pays on peut amener une, seule agence pour faire tout cela parce que... Euh, vous voulez dire que la société doit être décentralisée Pourquoi pas Moi, je pense que... dans chaque quartier, dans les quartiers Je suis, par exemple, le quand il disait on, a depuis le ministère de Transport de toutes ses prérogatives. Ça, c'est bien normal. Donc, à quoi servent les agents qui sont là-bas À rien. Ces choses, ce sont des choses que l'État du Niger peut créer et des entités. Même si l'État, par exemple, bouffe quelque chose, c'est toujours, ça reste toujours au Niger. On sait que les gens vont bouffer, mais quand même, ce n'est pas des gens qui vont venir de l'extérieur, avec qui on, veut, on, va faire des, des, euh, des, petites combines pour dire, bon, tu prends ça, moi je prends ça à la fin, et c'est sur le dos du peuple nigérien. Je pense que ce n'est pas important. Alhaj Mohamed Souleiman, dans un communiqué publié hier jeudi, le secrétaire général du ministère des Transports informe que les permis de conduire établis sous le format de papier et les dossiers en instance d'établissement sont sécurisés au niveau du secrétariat général. Que faut-il comprendre alors ben, je pense que nous l'avons dit la semaine passée, cette affaire, on a pressenti qu'il y avait gris sur roche. Euh, et à l'épreuve de fait, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est la Alcia qui a arrêté le processus. C'est la hmm. Alcia, selon nos informations, ils ont même, euh, je crois, pris les, les permis qui ont été délivrés au nombre de, 700. Et ils vont investiguer. 700 déjà deux semaines après deux semaines justement, travail. Justement, il y a des autres citoyens qui ne veulent pas être euh, perturbés, euh, qui ont les moyens de le faire et n'ont pas hésité soit à <laughs> se conformer à la. À la on a dit que les gens ont un an. Pourquoi on se précipite pour le faire Justement, en fait, parce que ceux-là, je te dis, c'est des gens qui n'ont pas de problème, qui ont les moyens de le faire. Donc, tu vois, eux, ils pensent que ils ne veulent pas se faire percevoir par la police leur activité <laughs> parce que nous l'avons dit, quand même, ce n'est pas à la portée de n'importe quelle bourse. Hein. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc, euh, non seulement, je pense que cela, il faut se rassurer que cette affaire-là, euh, la Alcia, en tout cas, a pris le devant et nous pensons que cela vraiment rassure les citoyens que nous sommes dans un état de droit, effectivement, où on ne peut pas faire n'importe quoi. N'importe quoi, ça N'importe quoi, parce que simplement, euh, nous avons entendu beaucoup de choses autour de, ce, dossier. Des journaux ont écrit, on a lu des choses vers les réseaux sociaux que, par exemple, quand on dit à Anguille Souro, c'est que ah, vraiment, il y a suffisamment de faits qui peuvent inquiéter les citoyens sur la sincérité de cette action. Donc, par conséquent, c'est une bonne chose d'apprendre que le procès, en tout cas, est mis en veilleuse, il est arrêté euh, pour nécessiter d'enquête. Et on a même appris que le Premier ministre euh, aurait effectivement boudé donc, euh, l'inauguration donc, de cette euh, affaire. Dans tous les cas, il y a des détails vraiment très précis qui ont été donnés qui font que je pense que même si on peut, on, ose le dire, que il y a des éléments qui sont réunis pour que le progrès, en tout cas, essaie de regarder un peu ce qui se passe. Bref, dans tous les cas, tout va se savoir. Mhm. On a entendu des choses. Et franchement, si ces rumeurs parce que c'est au moins c'est des rumeurs parce que c'est pas vérifié. Si ça se confirme, franchement par là ça n'honore pas le ministre euh, des Transports et tous les cadres, tout ceux-là qui ont participé. D'abord, c'est comme on l'a dit, euh, quand c'est un ministre qui est concerné, c'est le gouvernement qu'on le veut ou non. Mais il me paraît évident, comme il faut le reconnaître, euh, le ministre actuel des Transports, il était le président de la haute cour de justice qui a décidé, et selon nos informations, il, n'était pas content de sa place. Donc, si effectivement il est venu, il fait des choses. Franchement, ça veut dire beaucoup de choses. Mhm. Moi, je suis en train de dire que, euh, franchement, il faut faire attention. Et nous pensons qu'il faut encourager la Alcia. Euh, non pas de ce, récemment, il y a eu d'autres affaires. On a appris que, par exemple, l'affaire du Hajj, la Alcia s'est saisie de ça. De la douane aussi. Donc, de la douane. De, euh, Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'effectivement, la Alcia ne fasse pas aussi euh, une, opération de, communication, qu'il ait son rapport, en tout cas, soit rendu public constant, effectivement, qu'il y a de l'action. On demande des comptes aux, personnes concernées. Donc, moi, de, de, mon, de, mon, point de vue, le communiqué auquel vous faites allusion, c'est tout simplement en réalité une façon euh, peut-être de rassurer les gens parce qu'entre-temps, euh, il y a tout ce débat. Tout, le monde. Enfin, c'est cela. je pense qu'on on a besoin dans un pays, en tout cas, lorsque une opinion publique est forte, en tout cas, lorsqu'elle n'est pas d'accord, tout le monde, en tout cas partout, c'est détourné. tout le monde n'est pas d'accord. Donc cela veut dire que... Il y a aussi l'exemple du logo de Telabiri Chandalo. Oui, là aussi, ils sont revenus là-dessus, c'était à leur honneur. et les gens n'étaient pas d'accord parce que, franchement, euh, en termes d'esthétique, on n'a pas besoin quand d'être un, <laughs> d'esthétique pour le comprendre. Il suffit de voir les, œuvres pour voir que, franchement, par là, il y a une complaisance. Et ils sont donc moi, je pense que pour faire un euh, bref, c'est qu'il faut saluer l'action de la Alcia et effectivement le gouvernement, parce que je pense que quelque part, en tout cas, au ils ont entendu le cri de, cœur des citoyens. Je pense que quelque part au, sommet de l'État, en tout cas, les gens ont compris de faire attention. Mais je rapidement. Il ne faut pas baisser la garde, hein, puisque si dans un État, n'importe qui euh, euh, n'importe quel ministre peut se lever pour faire ce qu'il veut et que ça, ça, ça, passe comme ministre à la porte, c'est qu'on est en danger. C'est déjà bien euh, cette mobilisation générale de, de, des citoyens nigériens qui ont compris qu'à un certain moment, il faut qu'on dise stop, il faut qu'on dise merde s'il le faut, et il, faut qu'on, ne faut pas qu'on baisse la garde. Parce que et, quand vous voyez ce, ce, communiqué du, du SG du ministère, c'est comme disent les Hausa, commis à mhm. quoi. Tu, vous voyez, non Donc, c'est un peu ça. Ils ont compris que les gens ont compris. On n'est plus en 1993, même, on est en 2000, Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens respectent les citoyens nigériens et qu'on dise que lorsqu'il y a des choses, il faut que ça soit de manière transparente. Je suis d'accord avec ce que la a fait, mais ce que la Halcia doit faire, ce n'est pas de s'arrêter à ça. Il faut que tout ce qu'elle fait, tous les résultats soient publiés et, publiquement, même si après, rien ne, ne, vient des autorités, au moins que la LCA sache qu'elle a fait son travail. Moi, je suis entièrement d'accord, on continue ça. Il faut que la tête du ministre tombe, il faut qu'elle tombe parce qu'il n'y a pas de super ministre. Issa Madougou, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Oui, effectivement, c'est ce que Rufai vient de conclure, mais quand même, il faut, <laughs> encourager la Halcia. Moi, je pense qu'on a besoin d'aller jusqu'au bout. S'il faut, faut que le ministre parte, il doit partir parce qu'il n'a pas respecté les règles et les, euh, les lois de gestion en, matière de bonne gouvernance de notre pays. Et il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas dans un no man's land. Personne ne peut aujourd'hui, parce que vous bénéficiez d'un décret, vous allez vous retrouver dans un bureau et pouvoir orchestrer une mafia d'arnaque du peuple nigérien. c'est pas. Euh, est-ce que c'est une mafia Vous n'avez pas les preuves. Euh, c'est pour moderniser le permis de conduire. qui est contre la modernité Personne. Mokhtar, aujourd'hui, nous avons assez d'informations. Ce que d'autres, il faut les vérifier. D'autres, nous ne pouvons pas les publier parce que pourquoi Notre métier de journaliste nous impose aussi l'éthique. Lundi 29 juillet marquait l'an 28 de l'ouverture des travaux de la conférence nationale souveraine à Niamey. Une conférence qui a jeté les bases de l'instauration du multipartisme et de la presse indépendante au Niger. Aussi, ce soir, le président de la République, Issoufou Mohamedou, s'adressera à la nation dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'accession du Niger à l'indépendance. Elhaj Mohamedou Suleiman, le 29 juillet est une journée de la démocratie. En, en 28 ans, peut-on dire que la démocratie s'est bien enracinée au Niger euh, Je ne saurais le dire, mais tout ce que je sais la démocratie, c'est un processus, euh, ce n'est jamais une chose donnée. Même les grandes démocraties, en tout cas les gens qui ont 200 ans, une plus de démocratie, ils sont toujours en train d'apprendre. C'est donc pas vraiment un processus achevé. Euh, donc euh, la date du 29 juillet, effectivement, elle doit être commémorée. Elle est historique parce que, comme on le sait, avant ce que on était peut-être euh, très jeunes nous-mêmes, euh, en tout cas, euh, euh c'est qu'on vécu véritablement les affres de l'état d'exception. Donc les États non démocratiques savent que véritablement, rien que la liberté d'expression, c'est une, une avancée assez, c'est un acquis assez intéressant. Le fait que le citoyen puisse s'exprimer librement, même en tout cas, venir en tout cas dénoncer certaines pratiques des de, de, gouvernement, ce n'est pas toujours donné. Avant, on, nous racontait que même les, les, conjoints peuvent se méfier, penser que ton conjoint peut te vendre à la police. Donc, franchement, je pense qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas nier parce que euh, la conférence nationale, euh, vous savez, c'est mitigé. on pense que ça nous a été... D'aucuns pensent aussi que c'est un échec, un véritable échec. Je ne le pense pas. Il y a que les, la classe politique, les acteurs politiques, on peut dire qu'ils ont failli, mais les idées, l'idéal de la conférence était très noble. Parce qu'il s'agissait d'abord euh, d'instaurer, en tout cas, un état de droit. Donc, les libertés fondamentales doivent être respectées la bonne gouvernance. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a. La lutte contre la corruption. Justement, quand on parle de bonne gouvernance, effectivement, c'est tout. La liberté d'expression, la justice euh, indépendante, l'état de droit. Donc, tout ce qui est vraiment euh, noble, en tout cas, pour une euh, vie vraiment heureuse, en tout cas, pour le bien-être du peuple, tout a été, en tout cas, rêvé. Mais, vous savez très bien que la révolution, la liberté, on ne se donne pas, c'est un acquis il y a des forces qui n'ont pas intérêt, effectivement. moi, je peux dire que la conférence, en tout cas, les nobles, euh, en tout les idéaux de la euh, conférence ont été récupérés avec la complicité de la classe politique qui était impuissante, effectivement, de s'opposer. La première euh, tentative, justement, de récupération, c'était au niveau des transitions. de transition. Souvenez-vous, justement, lorsque les barres de fond avaient commencé à nous faire chanter que vous allez mourir si ils nous ont imposé le pass, ils nous ont imposé beaucoup de mesures impopulaires. Aujourd'hui, par exemple, le système éducatif, il n'y a pas une explication plus rationnelle que effectivement dire que c'était ces mesures opérées, euh, en tout cas imposées par ces barres de fonds qui font que notre école est vraiment perturbée à jamais. Si on ne fait pas attention, en tout cas, si on ne s'arrête pas, on a un système éducatif vraiment qui est vraiment tout simplement euh, euh, vraiment perturbé. Donc, moi, je pense que c'est en tout cas une date historique. Aujourd'hui encore, le débat se pose, euh, en fait, qui incarne la conférence nationale Donc, euh, je pense que c'est important. Euh, le plus important, il y a un travail citoyen qui, qui, qui, doit, être fait. On a vu les uns et les autres, et les autres passer, au, en tout cas aux commandes de l'État, mais on se rend compte que, et ça, je pense que c'est aussi là la gestion de, de, de, de l'État. On peut rêver quand on est à l'opposition mais une fois au pouvoir, la on voit les limites les et les autres, absolument. Rufai Dandoua, dans quel secteur avez-vous constaté des avancées après 28 ans de l'ère démocratique Moi, je pense que même dans notre secteur, on peut compenser qu'il y a eu des avancées, puisque s'il si, s'il n'y avait pas eu la conférence nationale souveraine, peut-être qu'on ne serait pas devenu journaliste, on ne serait pas ici pour parler comme on veut, pour critiquer qui on veut tout en restant dans les limites euh, dans, la loi. Je pense que c'est important. 29 euh, ans après, on peut dire que et on a fait un, un, pas, un pas, un pas important parce qu'aujourd'hui, à l'épreuve de fait, on s'est rendu compte de qui est qui, qui peut faire quoi. Ce n'est pas au fait la démocratie qui a failli, ce sont les acteurs post. Euh, euh, conférence. nationale, je pense que c'est eux qui ont failli, c'est eux qui pensaient que le pouvoir était facile. la gestion, l'exercice du pouvoir d'État. à l'époque et quand ils se sont, quand ils sont venus au pouvoir à l'épreuve de fait, quand ils ont vu l'argent, les yeux ébahis et ils ont pensé que c'est euh, gérer, c'est peut-être voler. Je pense que c'était ça le problème. quoi. Aujourd'hui, euh, fort malheureusement, euh, moi c'est ça qui m'inquiète, ce n'est pas ceux qui gèrent encore ou qui ont géré de, de 91 à aujourd'hui, c'est ceux qui sont censés prendre la relève. Aujourd'hui, eux aussi, comme les anciens, je parle de la jeunesse, bien, entendu, eux aussi, et, très jeunes, très tôt, ils ont compris que pour eux, la valeur de, de cette société, c'est l'argent. Or, ce n'est pas ça. Et c'est ça le drame. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, demain, eux aussi, quand ils viennent au pouvoir, ils vont faire la même chose. Et je pense qu'il faut, il faut... Il y a un travail qui doit être fait. il faut une refonte de mentalité, il faut un travail de, de, de, longue haleine pour faire comprendre aux jeunes qui vont venir, parce que j'ai comme l'impression que nous, cette génération... La renaissance culturelle est là pour ça. Sauf qu'elle ne le fait pas, parce que euh, je ne pense pas si la Renaissance culturelle fait ce qu'elle doit faire pour euh, euh, refaire, pour avoir un nouveau homme nigérien qui, dans 20, 30, 40 ans, va faire du Niger un, Niger beaucoup plus démocratique, un Niger beaucoup plus émergent qui va gagner. Je pense que c'est en cela que les acteurs de la conférence nationale ont failli et aussi dans la gestion de l'exercice du pouvoir. dans l'exercice du pouvoir. Mais la démocratie, Dieu merci, ça va, ça, a permis aux gens. La preuve, on n'aurait pas eu les élections eh, professionnelles dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des acquis. Mhm. Issa Madougou, quels sont pour vous les défis eh, qui n'ont pas encore été relevés et qui étaient d'actualité en 1991 pendant les débats au Palais des Sports, rapidement Oui, Mokhtar, vous savez, en fait, <laughs> la conférence en soi, quand ça s'est déroulé, nous, on était un peu des gamins, trop jeunes, euh, peut-être <laughs> à l'école primaire. Mais moi, c'est tout récemment que je suis tombé sur un livre qui parle des actes, et des résolutions au nom d'une quarantaine. En les parcourant, j'ai vu qu'à la conférence nationale, vraiment, il faut saluer les forces vives de la nation. C'est un travail formidable qui a été. Ils ont déjà défini dans tous les secteurs qu'est-ce qu'il faudrait faire malheureusement, les acteurs ont failli, comme l'a dit et comme l'a dit Alain Suleiman. Ils n'ont pas vraiment suivi les actes aujourd'hui. Est-ce que vous savez que même les langues, la promotion, la reconnaissance des dix langues nationales, ce sont des actes de la conférence nationale. Et ce qui est plus grave, c'est que dans, dans le préambule de notre, euh, de notre constitution, la septième, on parle que les acquis de la conférence que nous, dans le nous engageons à les protéger. Alors, quelle protection nous faisons Puisque nous, on, ne met pas ça en pratique. c'est donc un travail euh, titanesque qui doit être fait euh, à l'avenir. Les actes et les, résolutions qui ont été prises à la conférence nationale, je vous assure, si les régimes, différents régimes qui se sont succédés ont eu à prendre ces actes pour travailler ils n'ont pas besoin aujourd'hui de se tirailler. Par exemple, vous avez vu l'incapacité des, acteurs à vouloir se succéder. aujourd'hui, c'est ça leur faillite. Orfaï Dandoua, ce soir, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'adressera à la nation à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Niger. Quels sont les points sur, lesquels le président Issoufou est attendu moi, moi, vous savez, je pense que le président doit se réveiller. Se réveiller Oui, ça veut, dire. Moi, je pense qu'il lui reste euh, deux ans de, deux ans de, mandat. Rien n'est tard selon toi. Oui, rien n'est tard, rien n'est tard. Il faut, il faut toujours poser les bases. Et il a fait, il a fait certaines choses euh, oh, qu'on doit lui attribuer, mais je pense qu'il doit se réveiller. Aujourd'hui, moi, si le président m'écouterait, je lui dirais, Monsieur le président, euh, changez votre gouvernement. Il y a des gens qui ont fait 7-8 ans qui ne vont euh, rien apporté de la, pour changer les choses. Il y a des gens qui, qui sont là, qui sont euh, la vie. Euh, ça, fait partie des points. Oui, c'est des conseils de la vieille garde du président qui sont là depuis. Ça, même si c'est les remercier, on les a remerciés. Ces gens-là ont assez, ont assez ont assez été remerciés, ont eu ce qu'ils veulent, ils ont construit, ils ont, ils ont tout ce qu'ils veulent. Moi, je veux quoi le président, si le président m'écoute, qu'il change de gouvernement, qu'il qu'il fasse un petit gouvernement avec avec, des, jeunes qui vont apporter une nouvelle dynamique parce qu'aujourd'hui, le président n'a rien à attendre du peuple. Il doit se consacrer au développement. Et Ça se depuis l'entame de son deuxième mandat. Euh, aujourd'hui, il peut le faire. Mieux vaut tard que jamais. Il peut, le faire. En deux ans, il peut le faire. Et maintenant, ce gouvernement va aller aux élections en posant les jalons d'une nouvelle gestion de ce qui va être l'avenir de ce pays. Et ça, ça, peut se passer qu'avec des têtes nouvelles, pas ceux qu'on voit qui ne sont pas dans le gourmand, non, d'autres personnes qu'on ne connaît pas qui peuvent apporter une nouvelle dynamique dans la gestion des affaires de l'État. Alaji Mahamadou Souleymane, quel chemin parcouru en 59 ans d'indépendance Mais ben, Vous savez, on commence aussi à apprendre de la sagesse. Euh, il y a que tout à l'heure, nous parlons de la conférence nationale et on a jeté justement la pierre sur les acteurs. Hein. N'oublions pas que aussi les contraintes. Euh, au niveau de l'État, les besoins sont énormes et les moyens sont limités. Et je sais que. Le, gouvernement doit se donner ceux qui moyens. ont vécu justement le début de notre processus démocratique, on a eu même à connaître euh, des mois d'arrêt, des salaires très très élevés parce que simplement, on a voulu vraiment, nous, en tout cas, travailler souverainement, c'est-à-dire que nous démarquer de la tutelle des autres. On a vu, c'était exprès, on voulait effectivement nous contraindre à revenir sur le... <laughs> donc, vous voyez, la liberté ne, se donne pas, franchement. Euh, donc, euh, moi, je pense que tout à l'heure, euh, il y a que la démocratie, avec tout ce qu'elle a, par exemple, Aujourd'hui, beaucoup se réfèrent, à Kunti. beaucoup se réfèrent à Kunti, par exemple. Kunti n'était pas un démocrate. Mais il décide de ce qui est bien pour le pays et il l'applique. Il se donne les L'exemple que je donne aujourd'hui, le président souvent... si on demandait l'avis de, Je, je, pense, en fait, un référendum, il n'y aura pas ce qu'il ce a fait à Niamey là. Pour dire que souvent, il faut alors décider quand on est d'accord que c'est qu'on va faire, du bien. Maintenant, après coup, personne ne peut lever la main pour dire qu'en fait, le fait qu'un ami est transformé, c'est une mauvaise chose. Issa Madougou, chaque année. Donc, donc pour, pour, conclure, hein, c'est cela en fait qui fait que, faisons attention souvent, euh, le populisme ne mène pas un État. Il y a des décisions qu'on peut faire pour le bien du pays, mais les gens peuvent les contester. Isamadougou, chaque année, ce sont plusieurs milliers d'arbres qui sont plantés à travers le pays, mais malgré tout, les Nigériens ont l'impression que les choses n'avancent pas. Pourquoi Rapidement, en, bon, Vraiment, c'est d'abord l'idée est géniale de coupler la, la fête de l'indépendance à cette fête de l'arbre que je crois qui a été initiée dans les années de chez CRS avec le régime du CMS. C'est une bonne chose, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il est temps d'arrêter, au moins deux ans ou bien de réfléchir, oui, la fête, parce que on entend de gaspiller l'argent public. Chaque année, la cérémonie, vous savez combien ça coûte c'est les arbres qu'on plante. il faut, c'est de la logistique. Non, on ne peut pas planter des arbres. Oui. On va, oui. Donc il faut évaluer. Il faut les entretenir. On plante des arbres, mais on ne les entretient pas aujourd'hui. Ah le site qui a été, par exemple, pour le cas de Niamey, l'année passée, c'était à Gorbanda. Vous avez fait un tour à Gorbanda pour voir l'état des arbres. Avant Gourbanda, c'était ici dans la centrale verte. Vous avez fait un tour là-bas pour voir l'état des arbres. Il y, avait, y avait eu grillage, à grillage, euh, ils, sont, grillage ils sont où maintenant Ils sont où Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Elhaj Mahamadou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, Rufai Dandoua, journaliste sportif, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme studio Kalangou. Rendez-vous samedi de 18h15 avec Mamanada pour le forum en Hausa et dimanche avec Balkis Hamidou pour le forum en Zarma pour parler de l'importance de la carte de presse des journalistes professionnels. Merci, au revoir.